Alors le sens de cette cérémonie était de revenir un peu sur la production littéraire en général, de présenter l'œuvre dont je suis l'auteur aux parents et amis, aux lecteurs, aux populations, en rapport avec la maison d'édition, en rapport avec notre site d'accueil, le groupe euh, ISM, qui nous ont permis de réaliser cette, séance en vue de présenter au, à, tout un chacun le roman dont j'ai été l'auteur. Alors, le pêchement au piroguier, c'est une fresque de la vie d'un paysan sénégalais euh, qui vit dans la précarité et la pauvreté. Et donc, euh, avec toutes les péripéties et les risques de la vie aléatoire du villageois, euh, qui doit se battre, non pas pour vivre, comme l'a dit mon oncle Sambafal, mais pour survivre, parce que tout est urgent, tout est priorité, et à, la base, il n'y a rien. Et donc, ce paysan, pour qui nous avons beaucoup de sympathie, va réussir, non pas à s'enrichir matériellement, mais à euh, garder... Euh, la dignité, à garder euh, la maison, à sauver les apparences, en tout cas à ne pas s'enliser. Mais c'est une bataille et une quête perpétuelle puisque les moyens fournis sont incommensurables et que les, les défis à relever sont aussi incommensurables. Ici, c'est la personne qui a des responsabilités. C'est des responsabilités à l'échelle familiale, c'est le père de famille, c'est la mère de famille, c'est le grand frère, c'est les responsabilités à l'échelle villageoise, pour le plus c'est le chef du village. Dans le quartier, c'est le chef de quartier, c'est à l'échelle départementale, c'est le président du conseil départemental, c'est le préfet, c'est à l'échelle communale, c'est le maire, c'est à l'échelle régionale, le gouverneur, c'est aussi au-delà des autorités politiques et concentrées, toutes les personnes, l'aspect culturel, l'aspect social, qui peuvent jouer un rôle en tant que leader d'opinion en tant que personne pouvant apporter des solutions parce qu'ils ont quelque chose en plus. Donc c'est un appel à tout un chacun pour que ensemble, la main dans la main, en termes de solidarité, qu'on puisse affronter les problèmes de la vie. Et je pense qu'ensemble, nous, nous pouvons réussir à relever les défis du développement, les défis de la paix, les défis de la communion et de l'intégration. Vous savez, un paysan, il vit d'agriculture et précaire. Et si vous mettez dans le contexte de, l'année où j'écrivais ce livre, en 91, année de dévaluation, année de dévaluation plus tard, donc euh, euh, d'ajustement structurel, de problèmes économiques où il y avait un marasme économique, les paysans étaient extrêmement dans la difficulté. Quelques années après, des années après, vous avez toute une politique qui vise à améliorer la rentabilité agricole et c'est heureux parce qu'on a finalement compris que le secret du développement, c'est l'autosuffisance alimentaire. Cette autosuffisance alimentaire, c'est la production déjà de ce qu'on consomme. Donc les gens sont dans ça, on les encourage, mais euh, le roman ne s'intéresse pas seulement aux problèmes alimentaires et économiques, il prend en charge aussi les problèmes culturels. Parce que le Sénégal est un pays de culture, j'y aborde la question de la langue, j'y aborde la question de la religion, j'essaie aussi d'attirer attirer l'attention des gens sur, par exemple, le talibé, la mendicité, sur femmes et j'ai mis un point d'honneur à insister sur le rôle des femmes dans ce climat de marasme économique. Le Sénégal est pauvre, mais c'est grâce aux femmes, à leur solidarité, à leur engagement qu'on réussit à s'en sortir. C'est ce qu'on appelle l'économie domestique et conviviale, c'est entre les mains des dames. C'est pourquoi j'ai consacré un, grand espace dans le Rive pour montrer qu'elles se battent. Elles sont à la cuisine, elles sont aux champs, elles sont à la rivière, elles sont partout c'est grâce à elle je le rends en fait Entre autres problèmes, il y a aussi, comme le roman est ancien, chaque fois que j'avais un problème dont j'entendais parler au Sénégal ou dans le monde, j'essayais d'analyser le problème et si le besoin s'en faisait sentir, j'essayais de l'intégrer en créant un dialogue, en créant un chapitre. C'est ainsi que j'ai pu, dans un dialogue, problématiser l'immigration clandestine. Donc il y a eu un, une discussion, un dialogue. Le village, village n'avait rien, ils avaient faim. On a envisagé de partir. Un jeune a dit, nous, nous allons prendre l'océan. Donc c'est une façon aussi d'actualiser la problématique euh, du roman. Et donc c'est un roman qui a traversé les âges. Le, le roman est fondé sur le respect. La valeur du Sénégal, la plus grande valeur de ce pays, c'est le respect, au sens africain et sénégalais du terme. Vous savez, le roman parle de Elbedi. Elbedi, il habite avec des femmes. Ces femmes lui font parfois des misères, notamment sa mère. Mais Elbedi n'a jamais été irrespectueux. Je veux dire aux gens qu'on peut vivre ensemble, ne pas être d'accord, être dans la contradiction, tout en respectant les institutions, tout en se respectant, tout en ne brûlant pas. Parce que si on n'arrive plus à se mettre d'accord autour de nos désaccords, on n'a qu'à jamais le pays et le vent. Parce qu'en réalité, l'esprit et la philosophie de ce roman, c'est le rappel de ce qui nous lie et non de ce qui nous désunit. Nous sommes le Sénégal, nous sommes Sénégal, autrement dit, la pirogue de tous, par tous et pour tous. L'une fi dajale di rek présenter livre pour que nous xam lan lañ ci ànd see ak sama kilifa gi mom la nekkal à l'IEF de saint département ak sama xarit yi ñuma nekkal fofu aussi samay mbokk Louis Camara le grand écrivain qui est mon mentor ànd see aussi ak wa édition Harmattan ak mbokk yëpp pour ñu waxtaanee un peu lu ci nekk alors euh, ñu gën ko xam pour que ñu sawari ko xool wuñ ko jënd ko man aussi ma déglu leen am nañu ko ci jot a lire ma xam ci un peu lan lañ ci yëg

muy poursuivre la réflexion Sénégal réew démocratie la ak waxtaan ak cosaan arba à palabre penc mooy sunu cosaan dañu mësu di wax naa ne lépp am na sax yenn saay pour indi jàmm buur bu jël soxnaam may ko beneen buur yooyu am na ci réew mi donc euh, nañu dem ci élection yi ànd ak dal ku su nekk gëm li nga gëm mais nag

Sénégal réew ñëpp